chaque matin les acteurs culturels Nous inscrire couverture maladie universelle ñu ne en charge au directeur de la francophonie toute la délégation de souscrire une police d'abonnement hein, à la mutuelle des acteurs culturels. Donc ça c'est un premier geste boo xam ne bi lañ di un en attendant ngeen daje ak président de la république délégation bi mon yëpp culturelle nañ souscrire une police hein, à cette structure là parce que on reçoit trop trop trop de sollicitations art artiste bi feebar

mais les 3500 yi nga adhéré par an vraiment bon, c'est le thème de campagne Je <laughs> nga tourné ko Régina Regina, euh, Fatou Kine APS Bindichi, ci parce qu'il y va de la santé et de la vie des acteurs culturels et c'est fondamentalement important. Il faut que les artistes et les acteurs culturels adhèrent à la mutuelle des acteurs culturels. Sinon, je crois que nous ne pourrons pas résoudre le problème sanitaire des acteurs culturels.